Ah, euh, je donc madame euh, Jacqueline Badian, mhm. euh, candidate de Yewi Askanbi au niveau de la commune de Biscuiterie donc je viens de voter je viens de voter et trouve une satisfaction quand même assez spéciale j'ai l'habitude de voter mais c'est pour la première fois que je vote en tant que candidate donc vous imaginez la situation. Et ça, je le vois à ces petits-enfants. Quand je suis sortie de la maison, je vous jure, à la limite, j'avais les larmes aux yeux. Parce que tous les enfants de la rue étaient devant chez moi. ils m'ont accompagné quelques mètres et je les ai remerciés. Et chacun d'entre eux euh, euh, me, signifiait ma victoire. Yal Nanga amdom, Yal Nanga Gagné, Yal Nanga amdom. » Et on est dans le Sénégal. Et les enfants, euh, c'est une prémonition euh, euh, et quand je suis venue au niveau de l'école je le dis encore c'est une journée spéciale c'est une journée spéciale même quand tu es l'isoloir tu sens la présence de Dieu quand je suis sortie vous voyez ce maillage sécuritaire qui montre encore cette sacralité de cette journée donc moi, suis Sénégal ko waaw comme mi ngi ànd ak ñun di sant yàlla bi mu feeñee ci campagne bi ciow amul ñu ñew jour élection gis ngeen c'est le calme plat waaw donc loolu la ñu en tant que yaay ban message ngay lancé ñi nga xamante ni ñoo taxaw ci tànku xeex te ñu xam ne Sénégal benn bopp la gën ko ñaan. gisee ñun le changement est inévitable cette marée de jeunes là cette marée de personnes âgées cette marée de personnes moins âgées am lu mu wane c'est la population c'est la population qui est là, qui est sortie et qui va voter. Donc la population, c'est une vague Il y a un euh, problème une violence parce que nous am répondant amul parce que les gens ont envie de savourer cette journée c'est une journée qui marque euh, qui marque le début d'une histoire la colonisation c'est fini c'est fini le 23 janvier bi c'est une date historique qu'on va retenir dans les annales de la euh, de la démocratie sénégalaise. man voilà, ñun bu ñu gagné ñun ñëpp ñu ngi jëm ci Nous, nous, ñëpp 19 communes yëpp ci Barthélemy la ñu dem and ak mom parce que nak dafa ñafé dafa liggéey xam nga le tra wax le travail ça ne ça ne trompe pas man en âme et conscience en âme en âme et conscience je sais que j'ai travaillé. En âme et conscience, je sais que j'ai fait une campagne de deux mois, pas de 14 jours, mais de deux mois, parce que les populations en avaient besoin. Et on a trouvé les populations qui étaient très ouvertes, qui nous ont écoutés. On a fait un diagnostic et on a proposé un programme qu'ils ont adopté. Donc c'est ça la réalité. Je vous remercie.